Madame la Présidente du Conseil départemental de Kungel, Madame la Présidente du Comité, la Présidente de la COSIDEP, Madame la brave marraine de cet événement, Monsieur l'inspecteur d'académie de Kafrine, Mesdames et Messieurs les chefs services, les chefs de services régionaux et départementaux, messieurs, mesdames les coordonnateurs de projets et programmes, mesdames les présidentes des structures et organisations de femmes, honorables invités, mesdames, messieurs et mesdemoiselles, en vos titres, grade et qualité, tout protocole confondu. Je vous salue au nom de Monsieur le gouverneur, Monsieur Bouya Ahmad, au nom du préfet Ousmane et à mon nom propre. Mes chers dames, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. À la faveur de la journée internationale des droits de la femme, en hommage à toutes les femmes du monde, d'Afrique, du Sénégal de Catherine et de Kungel particulièrement. Je suis d'autant plus heureuse que cette rencontre m'offre l'occasion de me retrouver avec les forces vives de la région que vous êtes, qui s'investissent et œuvrent pleinement pour l'émergence du terroir. De prime abord, permettez-moi de saluer votre action, votre engagement vos convictions, votre détermination et rendre un hommage mérité aux multiples talents dont vous faites preuve. Je vous exprime toute mon affection. Cette année encore, la journée internationale des droits de la femme nous donne l'occasion d'apprécier les avancées réalisées en matière de promotion de la femme. C'est également le lieu de plaider pour une meilleure prise en compte de la femme et de son potentiel pour les futurs défis de notre pays, voire de notre région. Cette année, le thème national retenu pour la journée de la femme est Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Ce thème est une invitation à donner davantage de pouvoir aux femmes en ce sens que la femme est l'épicentre de la famille. Elle sait apaiser les tensions et calmer le cœur. Toutes choses qui font d'elle le socle d'une nation forte et unie. C'est dans ce sens que Michelle Bachelet, ancienne présidente de la République chilienne de 2006 à 2010, disait, je cite, Le progrès des femmes est le progrès de chacun d'entre nous. Donner la priorité aux femmes n'est pas une option, c'est une nécessité. Donner plus d'opportunités aux femmes, en plus d'être une question de droit, est également une preuve de bon sens économique. Fin de citation. Je me réjouis que dans notre pays, le gouvernement mette un accent particulier sur la promotion des droits des femmes à travers plusieurs mesures visant à valoriser et à renforcer le statut des femmes. En effet, la Constitution de 2001 renforce la protection des droits des femmes et assure la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux responsabilités dans les administrations et les entreprises. On peut aussi citer la loi sur la parité homme-femme qui consacre une égalité de représentativité au titre des postes électifs. Au niveau international, la ratification de plusieurs conventions internationales et l'adoption de nouvelles lois prônant l'égalité de traitement entre l'homme et la femme. Cependant, Force est de constater que toutes, les, toutes ces lois ne sont pas encore totalement appliquées. Et demande de la part des femmes de continuer à se mobiliser pour leur application totale. Je constate avec plaisir que de plus en plus, le gouvernement pratique une politique d'autonomisation de la femme particulièrement soutenue avec la mise à disposition d'importants fonds au profit des femmes dans plusieurs ministères. Les témoignages que je viens d'entendre m'édifient sur l'opportunité que représente l'investissement en faveur des femmes. Ce dernier est plus pressant pour les femmes en situation difficile, y compris celles qui sont exclues du système de financement bancaire classique. Aujourd'hui, grâce à l'accès à des fonds de crédit comme le fonds CHIP, le fonds 6, l'ANPEJ, l'ADER, le PUMAN, le PUDC, les bourses familiales, le projet ISMEA, investir sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, on note une véritable amélioration des conditions sociales chez nos braves dames sur toute l'étendue du territoire sans distinction d'ethnie, d'appartenance politique ou religieuse. Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer la mission que j'ai confiée à toutes les dames, à toutes les femmes, sans distinction d'origine socio-professionnelle. Je vous demande d'être les garantes de la paix dans notre pays. Les échéances électorales approchent il vous faudra prôner l'apaisement et le consensus au sein de notre société. Toujours user de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux, des membres de vos familles qui seront engagés dans la compétition politique. Votre rôle dans la préservation de la paix est d'autant plus important que les femmes et les enfants sont toujours celles qui souffrent le plus de troubles sociaux. Je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre implication active pour que notre pays puisse connaître la paix et la stabilité qui font le bonheur de toute la population. Enfin, je termine mon propos en vous souhaitant une excellente journée internationale des droits de la femme du 8 mars. Bonne fête à toutes. Merci beaucoup à tout le monde. au ci l'adjointe préfet du département de Koungheul di nuyu le maire di sama doom Aline Badara Ly may nuyu sama mak président présidente du conseil départemental euh, de Koungheul muy madame Socé Diop Jonn di nuyu IF di jël nag samay nuyoo di ko teg ci loxo IEF mu tegal ma ci loxo bépp chef de service bu fi nekk ak bépp collaborateur bu fi nekk may beral nuyoo nak. réseau des femmes enseignantes de la région et du département, des quatre départements et de la région de Kungel de Kafrine. ma di nous nous di les boo Nous dama di les Nuyo. dafa Nous vraiment xol képp Nous rek les nga ndax femme enseignante ndax ñoom ñoo aaye journée bi bu leen neexoon njot ñu emale ko seen bopp ñu nekk ci nag en collaboration avec IEF mi nga xam ne mooy seen patron ne leen boole leen ci jigéen ñi associé leen ñëpp ñu nangul ko ko wër képp ku amee groupement ñëw ci man ñëw ci ñëpp dem ci ñoom waxtaan ak ñoom kon lii buy am tey yàlla ak ñoom la te suñ bés bii nag dañ koy sant yàlla la présidente Sosé Diop wax na ko léegi dañoo am loo xam ne lu jafe la lu ñuy doog a am journée 8 mars mois de mois de mois de mars sax laay wax ñu am ñu am adjointe euh, préfet préfet départemental mu nekk jigéen kon lii tey vraiment lu ñuy doog am la dañ koy sant yàlla di ko félicité di la ñaanal lii jiglaak jàmm ndax yaakaar naa ne mooy ne boo xam ne yaa ngi koy doog a ak jigéen ñi comme man madame le préfet Maïmouna Baldé ñu ngi lay félicité di la nuyu di la sargal ñu am itam chef de service départemental muy jigéen ñu dox koo am muy sama sang di Aïssata Sakho kon journée bii tey dafa ala me kon journée bi dafa ala daaw me ndax lii ñu ngi koy doog a am may nuyu la marraine di xati Xadijatu Njaay li ñuy wax la répétition et pédagogie loo ñu wax rek nit ña wax nañ ko kon Xadi Njaay yaakaar naa ne doomu aadama mënatu wax lu nit waxut ci moom kon xarit Ndiaye bes bi, yalla la jig jam yalla yàlla na sooyof ci yow la yalla na melni ndoxom glass ndax dang ko koo li du chance mérite la li ñepp wax ya ko liggey ku ko liggey na ku ko wax la bëgg kon Ndiaye jërëjëf may sant ñepp nak di gëreem ñepp di beral nuyo itam nak, ñi jóge ko ci département yi muy département bu Kaffrine département bu mbirkilan département bu Malem Odar ndax ku ne xam na ne fi ci jamono tangay lañ nekk ta jamono ji xatna mais da ngeen bàyyi seen itte bàyyi seen soxla yëpp déplacé wu ñëw fekk si réseau des femmes enseignantes bii nekk biir Koungheul kon félicitation jërë ngeen jëf bii bés daal yàlla na doon bés boo xam ne bés bu ñu jig la te waxoon naa ko keroog ca réunion ba nee naa leen lii de xaw ma lu may tiit waaye du journée waaye du bii journée lu ne mën naa caa tiit mais journée bii du ci tiit te la ma doon wax lépp am na dem nañ ba fi mu nekk nii sax amatuñu chaise yu nit ñi toog dañoo wuti ay chaise di dolli ba léegi nit ñi amuñu fu ñu toog kon lii ngeen liggéey la di beral nuyoo itam nag sama mbokku waa santé ndax ñoom it vraiment def nañ seen délégation ànd ak euh, Ami Dieye ak madame Nia ñu jiite délégation santé kon ñooñu dama leen di beral nuyoo maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. sama borom bii ci sama gànnaaw man ay sa maa lay solal. maa lay solal ndax ci biir jàngalekat rek laa jëloon ko benn yoon waaye ngeen baal suñu yow daf maa faral ba pare di foog naa moo tax loolu ma soxla ñoom sama doom yëpp nag di beral nag Souleymane Ndiaye directeur SAPCOM sama doom maa ngi koy beral ngërëm ndax kat moom dafa ñëw taxaw indi bés bi ca kaw def ci lu bëree bëri jàpp ci bu baax a baax waaye ñëpp njaboot bi yëpp a ci jàpp jàngalekat yi nag seen doyen sekk nga maa yóbbante ci yéen te su ma ko waxee du ma ñëwee ñëpp sax nee na ma ne jàngalekat yi sama xol dafa sedd torop torop torop torop ndax xam naa ne nag. yow beral nay la teet la may waaye man tax naa ndax kat am na ci ñu bëri maa leen jàngal am na ci ñoo bëri samay doom lañ kon bu ñëwee def nañu dama ciy kontaan maa nga tam jàngalekat mu génne téeméeri junne jox jabaram ngeen xam te loolu la ci def de ne ma téeméeri junne laa lay jox nga def ko ci bés yi bay na ndékki yi bay na reer yi bay na dem yi jàngale billaahi bi ma taxaw di wax nii yàlla dara la huit cinquante di nuyu yëpp nag mi nga xam ne moom moo leen boot yéen ñëpp te ne leen boole su leen waxoon non non non yéen jàngkat rek dal leen seetaan rek waykat yi yéen ñëpp maa ngi leen gërëm di leen sant sama sër Ami Cissé Faye fentaloon nga ma woy waaye xam naa dina ñëw temps bi dafa xat ak jumaa ji gërëm mënut passé gërëm jàngalekat yi daal gërëm naa leen gërëm bàjjenu gox yi gërëm sefes gërëm ñëpp waaye bàjjenu gox yi tam département bi yëpp ba tey nag jàngalekat yi dañ ma defal loo xam ne lu ma bëggoon ci dëkk bi ñu defal ma ko wax dëgg yàlla ku waxee ne ndax foofu la sargal man xam naa jotagut ren nag ñëpp a ne ñoom Adja Dior dañuy ñoom Marème Ba dañuy def réunion ne dañoo bëgg a sargal suñu tànk séeréer yàlla defar jàngalekat yi njëkk leen ñëw defal ma sargal def ma Marème kon dëkk bi yëpp maa di gërëm bu di gërëm Adja na fi moom sama xarit sama doomu baay di suñu jiit comité concertatif xam naa wax nag dafa jafe te dañoo taxaw ma ne ma dañoo yàkkamti ay sa tasaaxoo ñu ngi lay gërëm. bu baax a baax a baax amuñ sa fay xamoon nañ ne xale nga waaye xale bu loxoom setee rek mën na bokk ak ay moo tax lii ñu fal la ñu ngi gis sa kanam ñu ngi gis sa ginnaaw buñ waxee mu ne bu leen ma waxati suñ kilifa man man yéenay samay kilifa waaye njiit yàlla moo koy man dama mos a dem ànd ak sama yaay bi sax ci alaaji Habib Sall mu ñëw indi ko ci sama kanam ne ko man de sëñ daara dama jaaxle ndax Xadi Njaay mii dafa nekk ku ngeen xaw mu ne

lépp lu ma I am nag lépp lu ma fi indi yitte lu rëy lu laajul ñu dara ndax ay nit ñi ñoo ko gàtt kon maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp bu ngeen di jógee ngeen dem ngeen dem añee ci sa kër ga. sama kii nag jarut muy wax dama doon balaa nga xamante ne tey wax bu ëllëgee itam sama rak mu nga nekk toog ñoom ñoom ñu àndal waaye nag ndeysaan dañ dafa xat ma ne ko mënu ma bàyyi waxal rek mooy sama secrétaire PSCP. waaw waaw kon maa ngi koy gërëm fu ma taxaw nag nee na taxaw na mboq sa jéeg sama taxaw sama gànnaar jëlee naa sama baax. maa ngi lay gërëm di leen sant bu baax a baax a baax ma baax sax yal na leen yàlla fay yàlla yokk leen ndax yéen fépp fu nit ñi yegg rek yéen a leen fa yeggal bu ngeen namatuñ dara wootuñ RTS ootuñ TFM ootuñ seen yow fay nañu lépp ndax xam nañ ne lépp lu fi am dinañu ko jàllale ba Sénégal Afrique yëpp yëpp yëpp yëpp. lépp lu ko mën maa ngi jégalu bu baax dama lan ci ay di nuyu madame la présidente du conseil départemental sama doom di nuyu monsieur le maire di ko gërëm di ko sant ci sigil bi ci sagal bi parce que bi femme yi tawlee ñu wax la ko yónni ko ci yow nga ne ma ay sa loo bëgg ma jàppale femme si accompagner dama leen di accompagner ba mu neex te defal ñu ne moom kenn du ko bàyyi ginnaaw bu ñëw fayal la kontaan nañ ci yéen ndax ñun amuñu lu ñu xewle suñu autorité ñëw liggéey damay faral di ko wax deretu jàngalekat ak lu mu mën a doon rek enseignante moom laa nekk ba ñu xam ma tey ba ma mën a yegg fi ma yegg tey ngeen baal ma tuuti nag ndax dafa am koo xamante ne tey su ma taxawee mën a ñafe mën a góorgóorlu am compétence bi am rigueur bi xam ñu xam ma ci liggéey xam ma si ñafe ba ma toll fii dafa am koo xam ne dafa ma encadré dafa ma jàppale dafa ma gunge mooy ISG e ba mu ñëwee ISG e fekk ma fa dafa ma fekk ma nekk secrétaire mu ne ma ay ba yegg tey kon kooku dama koy sant di ko gërëm ndax nag am na lu yokk ci man dama kontaan tey nekk ndaw yàlla dénk ma responsabilité muy service départemental de la famille ma teewal fi tey ministère de la femme waaye nag sama directrice régionale daf fee teew muy Ndeye Sylla Tall ñu ñu doon sargal kon tey jigéen ñi tàyyoon naa leen loxo di leen wax ne leen seen rakk seen doom seen xarit seen jëkkër mu ngi seen ginnaaw mu ngi seen kanam mu ngi seen wet lépp loo xamante ne war naa ko liggéey ak yéen maa ngi leen di déglu fu ngeen ma taxawoo ma taxaw ma fu ngeen ma joxoy ma ànd ko ak yéen mais nag bu ma terminé te gërëma ñi nga xamante ne samay doomu ndey ne fu ma taxaw ñu taxaw fa lu ma nekk ñu nekk ko am ñoom mooy lii nga gis ñu taxaw lii lépp lu ma def rek man ñoo ma ko defandoo di gërëm bu baax madame bi Diouf daaw ci présence bi ci teewaay bi waaye di gërëm tamit les femmes enseignées les femmes de la santé maa ngi gërëm ñëpp wax dëgg yàlla damaa kontaan sama xol dafa sedd képp koo xam ne teew nga fi tey rek maa ngi lay gërëm di la sant te di la ñaanal yàlla lépp loo fi indi rek muy tànk yiw gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp merci beaucoup. Voilà, je commencerai par d'abord saluer tout le monde. à la même fois, puisque M. le Préfet m'a demandé d'être trop bref. Donc, toutes mes salutations à toutes les dames, et ces salutations, je les maintiens et je les mets entre les mains du préfet, notre chère dame qui est aujourd'hui là présente pour honorer cette assemblée. Donc à tout le monde, je vous dis merci beaucoup. Et il y a un problème qui s'est posé. Hein. Parce que donner la parole à une littéraire et lui demander d'être brève, c'est un peu compliqué pour moi. Et pourtant, l'IEF a tellement insisté sur cela. Quand il m'a appelé pour me faire la proposition, je me suis pressée en tant que littéraire pour lui dire est-ce un discours que je dois faire Il me dit non une conférence que je dois faire Il me dit non. Je lui dis, est-ce un cours magistral que je dois faire Encore, il me dit non. Et là, je lui dis, mais monsieur qu'est-ce que je dois faire alors Et lui de me répondre, c'est la question qu'il fallait poser pour ne pas perdre du temps. Et de là, il me dit juste un résumé, juste un exposé, afin de pouvoir de manière synthétique ce que vous savez pas. Je sais que la connaissance est là, mais on n'aura pas le temps pour tout dire. Voilà. Du coup, j'avais programmé de faire un peu l'historique sur cette journée du 8 mars. Mais heureusement que Madame le préfet m'a marché sur la langue. Donc je ne vais pas revenir sur ça. Ce que je voulais juste ajouter sur ça pour que les dames puissent comprendre, c'est l'origine de la journée du 8 mars. C'est une journée qui vient d'une contestation, donc d'un mouvement syndical. D'un mouvement syndical, donc cela ne veut pas dire célébrer comme nous, on a l'habitude de le faire, avec beaucoup de folklore. Donc revenons un peu en arrière pour voir. Et elle l'a très bien mentionné en disant Journée internationale des droits des femmes. Donc à chaque fois, quand on doit célébrer cette journée, on doit s'interroger d'abord sur ce qui a déjà été fait depuis l'année dernière, quand on avait fait un plaidoyer auprès des autorités. Où est-ce qu'on en est Et ensuite, donner d'autres perspectives pour voir ce que cela va donner. Donc c'est une journée où nous devons manifester notre présence en tant que dame. Et pour cela, je vais tenter quand même un tout petit peu de laisser en rade un peu le contexte historique qui va de très loin, c'est-à-dire vers l'Amérique, pour venir tout simplement au Sénégal. Le rôle que devait jouer, que le rôle déjà que l'on accordait à la femme au Sénégal, toujours été relégué d'ailleurs au second plan. C'est-à-dire, la femme doit rester à la maison. La femme doit être femme au foyer. Maintenant, cela également, ça se comprend parce que nous sommes liés à des croyances religieuses, mais également des croyances traditionnelles. Mais moi, je dis que c'est mal interpréter la religion que de dire que la femme doit rester à la maison et gérer les enfants et le ménage. Là, je vais donner, je vais peut-être laisser le soin aux imams et aux qui vont nous en édifier parce que moi je sais déjà et que je ne vais pas l'appliquer comme on le dit, parce que les hommes sont égoïstes. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée de le dire, parce que quand il s'agit de cela, ils ne le disent ils ne disent que ce qui les arrange. Ils ne disent que ce qu'ils veulent, tout en laissant en rade, n'est-ce pas, ce que, ce que la femme peut apporter dans la société. Et c'est un constat général qui est là. C'est la raison pour laquelle les femmes se sont levées pour dire non à ces considérations, non à ces situations, que nous savons ce que les hommes savent et que nous sommes capables de faire, je ne dirais pas comme eux, mais mieux qu'eux. Malgré le poids de la tradition, la femme continue toujours de chercher à s'autonomiser. Et je vais dire exactement, nous, nous acceptons que pour être riche, il faut se marier. Et ce qu'on doit refuser catégoriquement. Il faut d'abord nous préparer pour que quand nous serons dans des foyers, déjà économiquement, financièrement, nous sommes à jour pour mériter le respect des hommes qui doit être. Vous allez devoir souffrir en silence. Très bien. Vous allez devoir souffrir en silence parce qu'il faut qu'on mette du doigt nos problèmes pour expliquer un tout petit peu les raisons qui nous amènent ici aujourd'hui. Ce n'est pas de porter des tissus, ce n'est pas de faire, de faire du folklore, mais c'est d'imposer à la société, d'imposer à l'autorité que vous êtes, que vous les nous savons chose que nous devons faire. Alors, et qu'est-ce que nous devons faire réellement C'est poser la question à la société. Qui sommes-nous réellement Véritablement, qui sommes-nous La société aura peur de répondre parce qu'ils ont la réponse, elles ont du moins la réponse, mais elles n'oseront pas répondre. Mais nous le savons, vous considérez la femme comme sexe faible considérer la femme comme sexe faible. Et c'est ce que nous refusons, ce sexe faible-là. Nous sommes d'égal dignité, façonnés de manière très spéciale qui fait la différence entre l'homme et la femme. Mais du point de vue psychologique, moral, intelligence, moi je dirais que les femmes sont meilleures que les hommes.